Nous sommes vendredi 23 juin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du Forum de la presse de Studio Kalangu que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Pour ce numéro, nous allons d'abord parler des résultats globaux provisoires des élections législatives partielles de la diaspora du Niger qui sont connus depuis ce mercredi 21 juin. Ensuite, il sera question du déroulement des examens écrits du baccalauréat qui ont débuté le lundi 19 juin sur toute l'étendue du territoire nigérien. Nous terminerons avec la question des réfugiés à l'occasion de la célébration ce 20 juin de la journée des réfugiés. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons dans ce studio Madame Maimouna Djadou, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir, Garé Amadou, il est directeur de publication du journal Le Canard déchaîné et journaliste à La Nation. Bonsoir, Garé. bonsoir. Ousseini Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Les résultats globaux provisoires des élections législatives partielles de la diaspora du Niger ont été annoncés le mercredi 21 juin. Ces élections qui n'ont pas pu se tenir en 2021 lors des élections générales nigériennes en raison de la pandémie de la COVID-19 ont finalement eu lieu le 18 juin dans les 15 pays retenus par la Commission électorale nationale indépendante à CENI. Ainsi, le parti au pouvoir, le PND Tareya, a gagné deux places, le Modern Lumana également deux places et le MNSD Nassara une place. Je commence avec vous, Memouna Djado. Quelle est votre appréciation du déroulement de ce scrutin euh, Merci, euh, Nafisa. Donc, euh, mon appréciation, c'est que ça s'est bien passé. Les mm-hmm. élections se sont bien passées au niveau donc, de la diaspora. Mm-hmm. On n'a pas en tout cas entendu d'incident majeur, euh, que ça soit euh, technique, que ça soit euh, au niveau donc le jour J même des élections. Et je, je, je, félicite en tout cas la CENI pour cette bonne organisation mhm. et les partis politiques aussi, parce que les partis politiques ont eu à sensibiliser leurs militants mhm, mhm. pour que ça soit des élections libres, crédibles et transparentes. Et donc euh, ils sont à remercier. Et là, euh, je parlerai également euh, de les deux sièges du PNDS Taraya, mhm, le, parti au pouvoir. parti au pouvoir, les, deux sièges également du Modène Falumana, bien que le Modène Falumana, même les cinq ans euh, passés, mhm. le Modène Falumana avait eu euh, deux sièges au mhm. niveau donc, de la diaspora. Donc c'est dire qu'ils ont pu conserver, quand même les deux sièges. Parce qu'à un moment donné, les gens pensaient même que le modèle Falumana n'aurait même pas euh, les deux sièges-là. Peut-être que le parti allait euh, sortir avec un seul siège. Mhm, mhm. Mais là, on constate que c'est les deux sièges. Et le MNSD Nassara aujourd'hui, c'est vrai, moi je pensais que le MNSD Nassara aurait pu avoir plus de un siège. Mhm. Malheureusement, c'est un seul siège. Euh, il doit se contenter de ça. Mhm. Et je pense que le siège même qui a été attribué au, euh, au c'est dû également peut-être à des problèmes que les autres partis politiques, quand je dis les autres partis politiques, le Modèle Falumana, mhm. euh, un problème euh, sérieux au niveau donc euh, de la diaspora et surtout au niveau donc du Ghana. Ce sont des problèmes internes. Et je pense que ce sont ces, problèmes-là qui ont affecté mhm, mhm. Euh, le modèle Falumana et mhm. qui a permis au MNSD Nassara de gagner, d'obtenir le siège là. Mais de toutes les mille manières, maintenant nous avons nos cinq députés de la diaspora qui mm. vont siéger à compter donc euh, de la, proclamation, la validation définitive mm-hmm. de la liste. Euh, qui a été soumise au niveau de la Cour constitutionnelle, puisque il puisqu'il peut avoir aussi des réclamations, surtout venant, je vois, du niveau donc euh, de Kishinkasa. Kassa. Mm-hmm. J'espère qu'ils ont, je pense qu'ils ont hein, des réclamations à faire aussi. Mm-hmm. C'est tout à fait normal. ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché mm-hmm, mm-hmm. Ou est-ce qu'ils ont, ils ont failli pour ne pas prétendre ne serait-ce qu'un seul siège mm-hmm. Mais dans tous les cas, ils vont venir, ils vont s'installer et ils vont euh, collaborer avec déjà les autres euh, députés qui sont en place et souhaitons leur donc euh, de, de faire le travail euh, euh, pour les Nigériens vivant à l'extérieur. Pour les Nigériens vivant à l'extérieur, mhm, parce mhm. qu'il y a beaucoup de questions. beaucoup est, attendu d'eux. Mhm. Et je pense qu'ils feront peut-être la différence, qui sait. Pour rappel, donc, euh, l'Assemblée nationale du Niger compte actuellement 166 députés avec donc ce scrutin. le nombre est donc passé à 171 comme prévu par la Constitution nigérienne. Alors, Garé, quels sont les défis qui se posent à ces cinq nouveaux élus Bon, d'abord, il, faudrait d'abord que les, députés rattrapent euh, le temps perdu parce qu'ils que mhm. ont perdu pratiquement deux ans, n'est-ce pas Bien sûr, c'est pas leur faute, mais ce n'est pas aussi la faute de la CENI. Il y avait euh, ce satané Covid-là qui est rentré et qui a vraiment tout bouleversé sur le plan, en tout cas planétaire. Mhm. Donc maintenant que les choses sont euh, au, beau fixe, ils n'ont qu'à se mettre au travail, mhm. n'est-ce pas et à affronter les, les, prochains dossiers qui vont être soumis au niveau du Parlement, parce que ce qui est passé est passé. Donc, il n'y a rien à dire. Euh, voilà. Mais par exemple, sur quoi ils peuvent mettre l'accent qui peut vraiment intéresser les Nigériens vivant à l'extérieur Oui, mais tout dépendra de, de, de, la programmation des sessions de l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, quand elle programme des sessions, mhm. il y a plusieurs sujets qui sont programmés. Mhm. et, voilà, s'ils ont des préoccupations qu'ils estiment être des préoccupations légitimes, bon, à eux de les soumettre n'est-ce pas, pour qu'il soit pris en compte dans le cadre de l'élaboration du calendrier des travaux de l'Assemblée nationale. Mm. C'est-à-dire que je suis sûr que, comme l'a dit Memouna, au niveau de la diaspora, il y a forcément des, ils ont des, des, soucis, n'est-ce pas, au niveau de, représentation consulaire, mm-hmm. au niveau de leur présence dans certains pays, les difficultés qu'ils rencontrent. Peut-être qu'ils auraient voulu, qu'ils voudraient que l'Assemblée nationale puisse statuer, n'est-ce pas, euh, sur certaines dispositions légales ou je ne sais mm-hmm. pas quoi. En tout cas, bon, il y a des choses, vous comprenez. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, même s'ils sont au niveau de la diaspora, ce que l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale du Niger. Donc forcément, c'est la vie de la nation mhm. qui compte. Et la vie de la nation, donc ils ont leur mot à dire, même s'ils vivent à l'extérieur, mhm. ils ont des choses à dire pour, dans le cadre de la, en tout cas de la conduite euh, en tout cas de, de, de l'État, et de la vie de la nation. Mm-hmm. Donc ils vont apporter leur pierre à l'édifice mm-hmm. et j'espère quand même que euh, leur venue va encore beaucoup plus enrichir les débats. On le souhaite vraiment. Voilà. Euh, Issa, euh, pour rappel, je le disais, le Parlement a deux ans. Comment rattraper le retard, comme le disait Derek Ça, Je ne sais pas quel mécanisme ils vont adopter. S'il faut leur faire des rappels, je n'imagine pas que ça puisse. Voilà, je pense que ça va être compliqué. Est-ce que c'est illégal oui, c'est ça ce que la loi dit. La loi dit que, le député, il prend fonction et on commence à le payer le jour où il prend fonction. Mais justement, on ne peut pas faire un rétro, ça ne peut pas être rétroactif. C'est-à-dire que... pour les années. Mm. Euh, non, mais bien euh, évidemment, c'est fini. Ils vont faire un demi-mandat. Voilà. Demi-mandat, c'est comme ça que ça, doit fonctionner. Mm. Parce qu'on ne peut pas aller calculer encore deux ans ou deux ans et demi pratiquement de mandat pour le verser, mm. n'est-ce pas Maintenant, ce qu'on attend peut-être une fois installé à l'hémicycle, c'est que il pose les vrais débats concernant l'extérieur, comment les Nigériens vivent, parce qu'il y a des pays dans lesquels les Nigériens sont dans des, confrontés à des difficultés. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'ambassade ou il n'y a pas de consulat, mais mm. parce que tout simplement au niveau de ces ambassades et ces consulats-là, ils font pas le travail qui est attendu d'eux en matière de protection. Justement, vous, quels sont vraiment les vrais problèmes auxquels les Nigériens à l'extérieur sont confrontés C'est ce que je suis en train mm-hmm. d'expliquer. Souvent, mm-hmm. les Nigériens sont confrontés à des difficultés. Il y a des pays dans lesquels euh, où pratiquement, les ambassades sont inaccessibles. C'est-à-dire, quand vous avez votre problème, ou c'est la communauté qui vit là-bas, vous approchez la communauté, mais l'ambassadeur et son staff ne s'occupent pas de. Comme avait dit, il y a mm. beaucoup de pays comme ça. Je ne sais pas. Mais c'est sûr, quand les députés vont être là, ceux qui vont poser ces problèmes, ce type de problèmes qu'ils rencontrent, qui mm-hmm. sont des problèmes réels, mm-hmm. souvent même des étudiants nigériens qui sont dans ces pays-là, les étudiants, ils ont des difficultés. Et là, peut-être quand ils vont remonter la, comment veut dire, euh, comment ça s'appelle, ils vont, ils vont porter la voix, ce mhm. c'est que le gouvernement va être sensible par rapport à certaines ah difficultés. Parce que souvent, vous voyez les étudiants qui vivent à l'extérieur, au Niger, les et dans d'autres pays, mhm. souvent on leur empêche de prendre les cours parce que les frais de scolarité n'ont pas été, comment dire, les frais de scolarité n'ont pas été versés. Pendant des années, mhm. ça fait qu'on les chasse ou on leur empêche de prendre les cours. Tout récemment encore, il y a des médecins qui sont allés en spécialisation ici au Burkina. Mhm. Le problème s'était posé. Je ne mhm. sais pas si ça a pu être réglé ou pas. Mhm. Mais maintenant, avec des députés qui sont là, c'est qui qui sont d'abord représentants du peuple, mais également qui, connaissent un peu les réalités dans ces pays, ils peuvent apporter un plus au niveau du débat pour que le gouvernement soit beaucoup plus sensible à la situation des Nigériens qui vivent dans ces pays-là. Alors vous, Memouna, euh, quel est votre dernier mot peut-être Qu'est-ce que vous recommandez à ces nouveaux élus une fois après euh, avoir pris le siège. Oui, ce que nous pouvons recommander, c'est que qu'ils s'y mettent, qu'ils s'y mettent en tout cas pour mieux travailler mm. pour euh, ceux qui les ont élus, parce que c'est la diaspora aussi. Et Hussein l'a bien dit, il y a tellement de problèmes, et donc euh, la diaspora a besoin euh, de se sentir plus proche également du Niger. Mm. faire les débats d'ouverture, pourquoi pas participer, donner leur point de vue, puisque c'est les représentants de la diaspora. Mm. Aujourd'hui, quand vous regardez, comme je l'ai dit, euh, avant même ces élections-là, avant même que les cinq soient élus, euh, j'avais parlé de sensibilisation de la mm-hmm. diaspora, mm-hmm. Mm-hmm. sensibiliser la diaspora, ces populations-là, pour leur faire comprendre la vraie situation réelle du pays. Mhm. Dans quoi aujourd'hui le Niger est en termes de sécurité mhm, mhm. Qu'est-ce que l'État est en train de faire Qu'est-ce que les populations sont en train de faire Il faut que ces communautés ou bien il faut que la diaspora euh, puisse connaître tout cela. Euh, parce que quand vous regardez, quand vous les écoutez à travers les réseaux sociaux, on sent qu'il y a des informations qui les échappent. Et c'est pour ça que des fois, quand ils, font ces... ils font... Euh, ils, ils font ces débats, les mhm. débats à travers les réseaux sociaux. Tu as comme l'impression que euh, ils sont pas, oui, c'est pas des débats fondés, c'est pas mhm. des débats qui font avancer mhm. le pays. Donc il faut aller dans le sens de la sensibilisation, aller dans le sens pour leur dire que aujourd'hui voilà ce que nous sommes en train de vivre. Vous-même vous faites partie de ce pays là, même que vous êtes à l'extérieur, vous avez les moyens aujourd'hui de venir et d'investir dans ce pays. Vous pouvez investir dans les secteurs sociaux de base, pourquoi pas, mm-hmm. c'est le développement du pays. Mm-hmm. Il y a tout cela. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme que euh, ces députés doivent faire mm-hmm. en termes de sensibilisation et en termes également de contribution de ces Nigériens de l'extérieur mhm. pour un bon développement de ce pays. Justement, oui. Je voulais dire en fait euh, que ces, élections de la diaspora aussi, euh, je l'ai déjà dit sur ce plateau là, euh, elles revêtent quand même une symbolique assez particulière. Mhm. Laquelle Vous savez, la plupart des, menaces de déstabilisation, n'est-ce pas, ou de création de conflits sur le sol national proviennent souvent de la diaspora. et ce Et c'est pas spécifique au Niger en fait. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal mm. C'est pratiquement les gens de la diaspora qui, qui appelaient à, les, mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, créer la psychose. Créer la psychose, créer pour que le pays brûle. Mm. Alors, à travers l'élection de ces députés-là, la diaspora doivent comprendre que le pays là nous appartient tous mm-hmm, mm-hmm. et que si le pays là brûle, c'est nous tous qui allons perdre. Il mm-hmm. ne faut pas penser que parce qu'on est à l'extérieur, que si le pays brûle, que non, ça ne te concerne pas. Non, ça te concerne. Et donc, je crois qu'il doit avoir une prise de conscience et ces députés-là ont un travail à faire, comme l'a dit Memouna, dans le cadre de la sensibilisation des militants. C'est-à-dire, les militants maintenant qui ont voté pour eux doivent comprendre qu'ils ont des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tout appel à la sédition, tout appel à, à, à la guerre mm, civile, mm, mm, tout remet en cause ce vote-là qu'ils ont fait, n'est-ce pas Ils ont voté pour des députés qu'ils viennent de représenter. Donc, les appels à la haine, les appels à la destruction, les appels à, tout cela doit cesser une fois pour toutes, j'espère, à partir de ce moment-là. Il faut donc euh, une vraie contribution de ces Nigériens vivant à l'extérieur, même pour faciliter la tâche à ces nouveaux élus vous êtes d'avis, vous aussi, Ousseini, ça Bien sûr, mais moi, la, chose sur laquelle je mets l'accent, c'est mm. surtout, je connais beaucoup de cas surtout les étudiants qui vivent souvent, c'est des choses très difficiles. Mm-hmm. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en terre étrangère. La chancellerie qui est là n'est pas là à votre disposition. oui, vous oui bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très grave, moi, à mon sens, parce que ça, décrédibilise l'image d'un pays. Quand des étudiants se retrouvent, et qu'on dise qu'ils ne sont pas en train de prendre coup, ou carrément, même là où ils dorment, on, les met dehors, alors, pour des machins, alors que c'est le gouvernement qui les a envoyés. Mais avec les députés qui sont là, désormais, ils vont attirer l'attention quand le problème va se poser quelque part, il y a des représentants qui vont dire au gouvernement non, il faut accomplir votre, votre mission, n'est-ce pas Ça, c'est la chose la plus importante à mon sens. Sinon, du point de vue des autres aspects, notamment, c'est des aspects, moi je dis quelque part individuels, mhm. comme ça se voit dans d'autres pays, les Maliens qui sont dans la diaspora, ils font des investissements personnels chez mhm. eux, dans mhm. leur village et tout et tout. C'est pas aux députés de leur dire, ceux qui veulent faire, ils vont faire, ils ont les moyens. Même s'ils le disent, peut-être c'est une prise de conscience individuelle, oui c'est une de c'est ce que je suis en train de dire, parce que le pays, souvent, eux, ils font des choses, ils peuvent se mettre au niveau d'une région donnée, ils peuvent collecter de l'argent. Oui, oui, voilà. Mm-hmm. Nous espérons donc euh, que, les défis euh, qui se posent à, à, ces nouveaux élus soient euh, relevés positivement. Passons donc au deuxième sujet du forum de la presse, une question éducative. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté le 19 juin sur toute l'étendue du territoire nigérien. Ils sont 92 956 candidats, toutes à séries et spécialités confondues, parmi lesquelles 37 837 filles a se lancer à la conquête du premier diplôme universitaire. Gary Amadou, comment vous analysez le déroulement des épreuves du baccalauréat de cette année Bon, <laughs> honnêtement, pour être honnête, je euh, n'ai pas suivi euh, ce processus-là. Et donc, euh, je crois que. Simon, euh, dans l'ensemble, on a. l'ensemble, il paraît que ça s'est bien déroulé. Mais moi, mon souci, mon souci, c'est au niveau de la correction. justement, on Parce que, venir à voilà, question. C'est au niveau de la correction. Mm. Vraiment, j'appelle ceux qui sont chargés de la correction à être sérieux. Mm. Vous ne pouvez pas mettre en péril l'avenir des enfants mm. à partir de corrections bâclées ou faites à la légère. Mais écoutez, euh, est-ce que ceux qui sont chargés de corriger sont des gens qui ont passé toute l'année à donner des cours Pour moi, c'est d'abord la règle. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui est dans un bureau, assis, décider que non, celui qui va corriger des épreuves, qui n'a pas donné cours pendant toute l'année est mhm. celui qui va corriger les épreuves. Et, ça fait, injuste, mais ça fait des, années. Et mhm. ce sont ces gens-là qui doivent corriger les cours. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse Comment pouvez-vous mettre en péril l'avenir des enfants à partir de, de, légèretés comme ça mhm. Et ça, c'est l'État qui est fautif. Parce que pour moi, l'État ne doit pas permettre à des gens qui ne donnent pas cours, n'est-ce pas, de vouloir venir corriger les épreuves Beaucoup d'avenirs ont été gâchés comme ça. Hein. Je vous assure. Mais vous avez des professeurs, des professeurs de philo qui ne comprennent rien à la philosophie et qui sont chargés de, corriger des épreuves de philosophie. Mais est-ce qu'il eh, y a des critères sur lesquels on Mais je ne sais pas comment ça se passe, mon fille, Je ne sais vraiment pas comment ça se passe. Mais ça, là, c'est une récrimination qui revient chaque année. Mm. C'est-à-dire qu'on sélectionne des gens pour corriger sur la base d'acquaintances mm. ou de vraiment des trucs fallacieux au lieu de choisir des enseignants créés à main qui donnent des cours. Mm. Et c'est valable aussi pour le... C'est comme ça que ça se passe dans ce pays-là. Et l'État regarde et on n'y fait rien. Et beaucoup d'avenirs, je vous dis, ont été gâchés. Vous allez voir à la proclamation des résultat, ce sont des étudiants qui sont brillants, qui sont étonnés qu'ils aient échoué. Mais parce que la correction a été bâclée. Mhm. Vous savez, on leur donne des copies et les gens font ce qu'ils veulent. Ils mettent les notes qu'ils veulent. Mais comment pouvez-vous détruire une, vie comme ça Comment pouvez-vous détruire des avenirs comme ça Donc vraiment, moi, j'interpelle euh, ceux qui corrigent. Si tu sais que tu ne peux pas corriger, si tu sais que ça fait plusieurs années que tu ne donnes pas cours, vraiment n'acceptent pas pour l'argent de venir corriger et de bâcler, de détruire l'avenir des enfants. Ça, c'est criminel. Memouna mhm. mm quel est votre avis sur l'organisation des examens du baccalauréat de cette année 2023 euh, Mon avis, c'est que l'organisation s'est bien passée, mhm. puisqu'on n'a pas aussi entendu de de, problèmes. Mm. Même si... avec euh, la Halcia qui est à pied d'œuvre. Euh, pour éviter toute <laughs> fraude. toute... <laughs> Mais je pense que ça n'a pas empêché. Hein. Je pense qu'ils ont eu quelques récidives mm-hmm. ben, d'étudiants. Ça, ça a toujours été. oui, oui, oui. Tentatives, de, de, de, fraude. Hein. Mm-hmm. Euh, mais, juste, mais quand on regarde en tout cas dans l'aspect organisationnel, c'est quand même à, très mhm, mhm. Et les épreuves sont, euh, ont été étudiées selon le niveau des étudiants mhm. et de ces candidats, excusez-moi. Et je pense que c'est là où il faut mettre l'accent, c'est là où Garé a mis l'accent. C'est vraiment la correction. C'est vraiment, il faut qu'il y ait des correcteurs, en tout cas, qui savent que la correction ou bien les notes qu'ils vont donner dépendra en tout cas de l'avenir de ce candidat mhm. qui a pris tout le temps pour étudier mhm. ou dont les parents ont fait des sacrifices énormes mhm. pour que leur enfant puisse réussir au baccalauréat. C'est très important. Et comme il l'a dit, ce n'est pas la première fois ni la seconde fois que nous voyons des professeurs qui n'ont jamais et qui ont fait des années sans être dans des classes pour enseigner sur le terrain et aujourd'hui qui sont des correcteurs. ne ça c'est comme ce que nous sommes en train de faire en termes de journalisme. Mm. Quand tu fais quelques années, tu perds la main. Tu perds la main. Et quand tu perds la main, <laughs> il te faut encore revenir sur le terrain pour pouvoir être journalistes de terrain, comme tu le sais. donc c'est très important. Le gouvernement est très interpellé et surtout que cette discussion a suscité, euh, a commencé d'abord au niveau de ces enseignants-là. Entre eux-mêmes, ils, savent qui est qui. ils savent. Ils voient, on met, des gens qui voilà. ils mettent en, ah, péril. La, et, le, gros problème, c'est surtout, surtout ces enfants-là qui sont dans les zones rurales. C'est ça le gros problème. C'est malheureusement c'est là où il faut surveiller, c'est là où il faut faire les corrections, la correction comme ça se doit, parce que c'est des zones qui sont éloignées, c'est des zones où tout est permis, c'est des zones où quand tu fais, tu bâcles certaines choses, tu n'as pas tu ne peux pas savoir où est-ce que tu peux t'orienter pour mhm. aller réclamer. Mhm, mhm. C'est très important parce que en termes de bac, le baccalauréat, je pense qu'il y a des moments où on donne de réclamations en tout cas pour que les élèves qui se sont vus hacher quelques notes puissent aller réclamer pour voir si réellement la copie a été bien corrigée ou bien n'a pas été corrigée. Ça, c'est très important aussi. Et nous espérons, en tout cas, qu'il y ait un fort taux d'admission d'admission mhm. pour le bac comme il est aujourd'hui pour le BEPC. Mhm. Il revient donc euh, au gouvernement vraiment de revoir euh, la question des correcteurs. Euh, vous, Hussein Issa, un mot sur l'organisation du, baccalauréat mhm. C'est du point de vue de la correction surtout, parce que moi j'ai vu des cas, beaucoup de cas comme ça. Au karma, c'est des enseignants créés à main, on les met de côté. Et on va prendre des gens qui sont assis dans des bureaux, qui ont fait peut-être 4, 5, 6 ans, 10 ans sans, aller dans une classe. Mhm. Et ceux qui vont corriger. Toi qui as passé l'année avec la crise, avec, à expliquer aux enfants, toi, on te met de côté. Tout ça, on peut mettre fin à ça systématiquement. Mhm. Normalement, on doit privilégier ceux qui ont enseigné. Mais comment mettre mm. fin à ça Mais non, c'est le gouvernement qui doit taper du poing sur la table. Mm-hmm. mais si c'est le, gouvernement qui autorise à ces Non, non, non. On doit pouvoir dire, on doit pouvoir dire au, au comment s'appelle la, structure, la structure qui est chargée d'organiser. Voilà les critères de sélection mm-hmm. des candidats et pas des candidats, des correcteurs. oui. oui, Mais on ne peut pas prendre quelqu'un, juste un enseignant, il a enseigné, on lui dit juste, il va surveiller. Maintenant, quand il s'agit de faire la correction, on le met de côté. Ça n'a aucun sens. Et le gouvernement peut mettre fin à ça. Il y a des critères qu'on peut mettre en place. Quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans dans un bureau, est-ce qu'il peut aller corriger D'accord, mm-hmm. il est mm-hmm. philosophe, il est peut-être littéraire, mm-hmm. mais ce n'est pas évident qu'il soit en mesure de, de, comment je dit, de corriger, de faire des bonnes corrections. Moi, je pense qu'il faut mettre surtout l'accent sur ça. Et puis ce qu'on peut dire, de souhaiter aussi bonne chance aux candidats. Justement. Ah. Et outre l'examen du baccalauréat, le BPC qui s'est déroulé la semaine dernière, certains résultats donc, ont commencé à être proclamés le jeudi euh, à travers un constat. Certains établissements ont pu faire 100% de réussite. Un commentaire peut-être sur euh, ces résultats, Gary Oui, 100%, mais c'est surtout au niveau des écoles privées. Mhm. Voilà le, hic du, système éducatif nigérien. c'est à que, Oui, mais, mais, ah, écoutez, c'est triste que, le, en tout cas, l'école publique, qu'elle soit une école de seconde, de seconde zone, que ce soit aujourd'hui les écoles privées qui ont le plus de taux de réussite. Nous, on entend partout, hein, on entend euh, telle école 100%, telle mhm, école 100%, mhm. telle école. Mais, Mais si vous demandez. Ah non, si vous demandez au niveau des écoles publiques, ce n'est pas ça. ce C'est pas le même chiffre. Mhm. Ça m'étonnerait que ce soit le même chiffre. Et donc, je, je n'ai pas les chiffres, mais d'une manière générale, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, ce sont les écoles euh, privées qui font le plus fort taux de réussite. Pourquoi Parce que moi, j'ai l'impression que l'État est en train de délaisser l'école publique. Pourquoi Au niveau de la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas c'est pratiquement un enseignement au rabais. Parce qu'au niveau des écoles privées, on sélectionne, on, sélectionne les enseignants qui vont donner cours. Mhm. Donc, si tu n'es pas capable de, si tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise les mathématiques, tu ne viens pas. Alors qu'au niveau des, des, écoles publiques, des, civicards, euh, tu viens faire le service civique et c'est à travers ça que tu donnes, tu donnes des cours. Mhm. Donc, ouais. Donc, franchement, je pense que euh, le fait que les réussites sont plus contestées au niveau des écoles privées doit nous interpeller, doit interpeller l'État pour que on puisse revaloriser l'école publique. Il faut qu'on revalorise l'école publique. Parce que nous, à l'époque où on a fait l'école, n'est-ce pas C'était l'école publique. Voilà. Tout ce que vous voyez sur ce plateau-là, c'est l'école publique. Hein. Mhm. Nous, on n'a pas fait des privés. Hein. Mhm. C'est l'école publique. Et en ce moment, il y avait des enseignants de qualité. Mhm. Mais depuis qu'on a mis la contractualisation, on a complètement tué l'école publique. Et ce qui fait que ça a fait, l'affaire des écoles privées aujourd'hui. Comment pouvez-vous être étonné que l'école, l'école privée est 100% Et vous croyez que ceux qui ont des enfants qui vont faire le brevet l'année prochaine, mais ah, ils vont courir vers les écoles privées. Il qu'il y aura l'enseignement de qualité et les chances que l'enfant réussisse. Mais Mouni les réussites euh, pour le brevet, euh, pour le BPC e au niveau des écoles euh, privées en soi sont une bonne chose, mais ils doivent interpeller tout un chacun selon Gary. Mais oui, Gary a parfaitement raison. Ça doit interpeller tout un chacun. Mhm. Parce que si on continue à envoyer nos enfants vers le privé, mais quel sera l'avenir aujourd'hui de l'école publique mhm. L'école publique, ça veut dire que la vendeuse de beignets ou celui qui se démerde euh, euh, doit d'abord se démerder pour financer la scolarité de son enfant. Mhm. Ça veut dire que les 25 francs, les 50 francs, qu'elle est en train de récupérer, elle le fait uniquement pour que son enfant puisse avoir, pour réussir. Et pour réussir, aujourd'hui, quand tu leur demandes, ils vont te dire non, non, mets ton enfant dans le privé. Donc, malheureusement, c'est à ça que nous sommes en train. à la portée de tout. Voilà, mais, aujourd'hui, quand vous regardez, quand les vous regardez, les frais de scolarité ne font que grimper. C'est de, de, de 100 000 et l'année prochaine, on te dit 200 000. 200 000. Il y a des écoles qui ont jusqu'à 1 million. 1 million hein, à Niamey. Il y a des écoles jusqu'à 1 million. Mm-hmm. Donc, pour uniquement donner les conditions d'études aux enfants. Mm-hmm. Donc voilà, le problème doit être réglé par l'État. Avant les années, l'école publique a cessé de fonctionner après les années 90. Parce que tous ceux qui ont fait l'école publique, en tout cas, moi, j'ai fait l'école publique dans les années 80 jusqu'en 90. L'école n'était pas comme ça. Ces dernières années Ce sont ces dernières années, les dernières années, quand je dis c'est après 90 que nous sommes rentrés dans cette situation. Mm-hmm, mm-hmm. Voilà, la contractualisation, parce que dans les écoles privées, ce sont ceux qui nous gouvernent qui ont des transactions, qui, qui, ont ces écoles privées, mhm. Mhm. qui mhm. mettent leur argent dans ces écoles privées pour les créer et qui subventionnent ces écoles privées. Donc, ce n'est pas possible. je, voulais même dire, mais attendez, vous êtes sûr que eh, les enfants du ministre de l'Éducation nationale sont dans une école publique <laughs> Vous êtes sûr que les enfants du ministre de l'Enseignement supérieur sont dans une école publique d'enseignement supérieur Vous êtes sûr <laughs> Eh, voilà, le problème de notre pays. Mais, quand je disais en, 1980, moi j'ai étudié avec les enfants de Kunche. <laughs> J'ai étudié dans la même école, dans la même classe avec les enfants de Alichev. Je pense que ça c'est une question de choix personnel peut-être. Hein. Non, c'est pas <laughs> question personnelle. C'est parce que tout simplement... Vous faites des choses <laughs> auxquelles vous ne croyez même pas. Avant, fils, quand on te mhm. dit que tu es exclu de l'école et mm. que tu vas dans une école privée, tu as mm-hmm. honte de passer devant tes amis. c'était avant, c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est une fierté. Oussein Nissa, avez-vous connaissance des premiers résultats Comme on vient de le dire, les réussites, euh, c'est au niveau des établissements privés. Vous, quelle est votre appréciation de ces premiers résultats qui ont commencé à ah, sortir euh? hein. C'est résultats parcellaires, c'est parcellaire. Oui, c'est juste, oui. On ne peut pas avoir une idée précise. ce sont des résultats qui tombent à compte Il y a des écoles qui communiquent un peu qu'est-ce qui mm-hmm. s'est passé à mm. travers les WhatsApp. Ce sont des résultats qui tombent à contre oui, Maintenant, on peut comment dirais-je, analyser les résultats quand le ministre va sortir pour dire voilà la mm-hmm. situation telle mm-hmm. qu'elle se présente. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on ne peut pas présager. Mais toujours est-il dit que, bon, ça, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bons résultats sont, produits dans les écoles privées, au niveau des écoles euh, publiques. Euh, qui est à l'école publique C'est les, les, enfants des indigents, n'est-ce pas Alors, à partir du moment où c'est même une situation qui a été délibérément créée, où on a marchandisé l'école. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, il ne faut pas t'assurer que ton enfant va avoir une éducation de qualité. Mm. Et c'est avec la politique que ça s'est fait, ces mêmes acteurs politiques-là. C'est eux qui sont à l'origine de cette situation-là. Mm, mm, ça montre qu'ils n'aiment pas l'école. Ils font du bruit autour de l'école, mais ils n'aiment pas véritablement l'école. Parce que quand vous aimez quelque chose, vous ne pouvez pas être dans un gouvernement pour faire la promotion de la chose. En même temps, vous envoyez vos enfants dans des écoles, il faut payer 3 millions, 2 millions, 3 millions à un enfant à l'école primaire. Mhm. Ça montre un peu que, bon, c'est juste les discours qu'ils tiennent aux gens, mhm. mais la vraie, la vraie réalité est là en ce qui concerne les écoles aujourd'hui. L'école publique est complètement par terre. Ça, même dans les grands centres urbains, allez-y voir dans les villages, dans les, dans les zones mhm. reculées où on a créé des collèges ruraux. Là, ça n'a même pas fonctionné souvent. Ça montre un peu que, bon, c'est de la démagogie, tout ce qu'ils disent autour de l'école. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience à leur niveau, mhm en consistant à chacun d'entre eux de ramener son enfant dans l'école dans l'école publique. Là, on va les croire. Voilà. mais, non, mais non, pas difficile. ça, peut être, ça, peut être, non, peut être, une politique. On peut décider que quiconque, mhm, mhm. quel que soit ton niveau, tu donnes le gouvernement, ton enfant doit être dans une école voilà, publique. Alors, on peut, on peut, on peut bien. L'école publique là maintenant même c'est tué mm. avec leur histoire de cogès là. Malheureusement. Où, il faut, il faut. <laughs> je vais te dire, Memouna, au Rwanda, c'est ce que Kagame a fait. Mm, mm, n'est-ce pas mhm. C'est une décision peut-être qu'on doit prendre, politique. qui doit être appliquée. Chacun doit amener mener. Mhm. Tu peux pas. Et même la santé, du point de vue de la santé, non, tu ne vas pas à l'extérieur. Tu vas dans les formations santé, que tu mhm. sois ministre, que tu sois ceci, cela. Tu tombes malade, vous savez, on va renforcer le dispositif pour qu'on puisse te soigner dans voilà, voilà. Beaucoup reste à faire, beaucoup reste à faire. Qui fait, qui fait, qui montre que vous aimez le pays véritablement. le payer le gardien. Oui, oui, j'ai dit la cotisation 25 25, 25 chaque fin du mois pour payer le gardien, pour, pour, pour arranger, peut-être euh, mettre. des contributions. Mais, euh, c'est pas eux qui ont amené. Vous savez, une fois là, moi j'avais amené la question de. Moi je suis choqué par le fait que euh, des ministres du gouvernement ont leurs enfants dans les écoles publiques. Mhm. Et quelqu'un m'a dit non, les gens sont libres. J'ai dit non, non, non, non, non, non. Mhm. J'ai dit moi, mhm. si je suis président de la République là, je vais imposer au ministre, je vais dire vos enfants là l'école primaire là, c'est l'école publique. Il faut commencer. Parce qu'il faut convaincre les gens que mm, mm, mm. vous, êtes, censé mettre en œuvre la politique nationale de l'éducation nationale. Et vous-même, vous ne croyez pas à cette politique-là. En tout cas, l'école publique, vous ne croyez pas. Oui. Mais vous ne croyez pas à l'école publique. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous faites à votre poste Beaucoup reste à faire pour que vraiment l'école nigérienne, comme le dit l'autre, retrouve à ses lettres de noblesse. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Le 20 juin, le monde a célébré la journée mondiale des réfugiés avec pour thème l'espoir loin de chez soi. Cette journée adoptée par euh, lors du 50e anniversaire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés a pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde. À Niamey, l'UNHCR a organisé une conférence au cours de laquelle le représentant de l'UNHCR a indiqué que le Niger est l'un des pays qui donne la chance aux réfugiés à travers leur inclusion. Je propose d'écouter Emmanuel Aginaka, représentant de l'UNHCR au Niger. Le Niger est aussi exemplaire par sa vision et son intime conviction que l'inclusion des réfugiés dans les communautés d'accueil où ils ont pu trouver paix et sécurité est sans doute le moyen le plus efficace de reconstruire leur vie tout en contribuant au développement des régions qui les accueillent. Très concrètement, le Niger fait cela en octroyant le droit aux réfugiés à postuler à des emplois, à s'inscrire dans des écoles et à accéder à des services tels que le logement ou les soins de santé. Pour les réfugiés, loin de chez eux, le fait de se sentir accepté et accueilli est source d'espoir. Et nous donnons de l'espoir aux réfugiés lorsque nous leur donnons les moyens de se développer, de prospérer et de choisir la vie qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Nous avons également pris en considération l'importance de l'éducation, permettant par exemple aux étudiants nigérians de DIFA de passer leurs examens grâce à un accord inédit de partenariat entre les ministères de l'Éducation nationale du Niger et du Nigeria. C'était là donc euh, le représentant de l'UNHCR au Niger, Emmanuel Djinak, euh, qui se prononce sur euh, l'accueil donné aux réfugiés au Niger. Selon lui, donc, le Niger donne la chance à ces réfugiés à travers une inclusion. ça. quelle réaction après écoute eh De ce point de vue, je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai. Quand on a vu un peu un peu partout, dans toutes les régions pratiquement aujourd'hui. Mm. Vous avez du côté, dans la région de Walam, tilabéry toute la région de Tilabéry, vous avez des camps de réfugiés que le Niger a bien accepté de, mettre en place. En place oui. Liés au conflit qu'on connaît, n'est-ce pas quand vous revenez dans la zone de Tawa, c'est la même chose. Quand vous voyez un peu à Difa, c'est aussi la même chose. Mm. C'est des gens qui sont accueillis, on crée les conditions pour qu'ils ne se sentent pas, comme avait dit, abandonnés. Mm-hmm, mm-hmm. Il y a une assistance qui leur est donnée. Quand on crée des écoles, on ne fait pas de distinguo entre les déplacés internes et les réfugiés. Ils vont tous dans les mêmes écoles. Mm-hmm. Moi, je pense que de ce point de vue, le Niger, quand même, et comme avait dit, montre le bon exemple, quoi, mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm, mm-hmm. Mais bon, maintenant, peut-être c'est ce qui se passe dans la région d'Agadez un peu que je trouve un peu déplorable. ça. Dans la région d'Agadez, ce qui est en train de se passer de la part des Algériens. Ils prennent les gens chez eux là-bas, ils prennent n'importe qui. Toutes les nationalités, ils viennent, ils déversent à Samaka au point zéro, c'est à 15 km de Assamaka. Les gens viennent à pied souvent. Dans des situations pénibles. oui. Alors, moi, j'ai dit quelque part, même s'il y a des accords qui nous lient, et la dernière fois, le problème a été posé, même s'il y a des accords qui nous lient, il n'est pas question de continuer à nous déverser mhm. des Érythréens, des Somaliens, mhm. des, mhm. des, comment vais-je dire, toutes les nationalités pratiquement ils viennent, ils les Parce déversent. Parce que le Niger est devenu un pays de transit. Mais, oui, mais non, souvent, d'accord, quand ils passent par le Niger pour aller, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par le Niger pour aller mhm. en territoire, euh, comment dire, algérien. Mhm. Ils passent par d'autres mécanismes, d'autres cheminements. Mhm. Mais pourquoi alors, quand les Algériens les prennent, ils viennent nous les déverser Ça pose un sérieux problème de pression sur, euh, comme avait dit, les, ressources locales au niveau d'Assamaka. J'ai un petit frère qui travaille là-bas, mais souvent quand il me décrit les situations, aujourd'hui, parce que chaque fois, le Niger a eu à l'acter, mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, quand on amène des Érythréens, des, comment ça s'appelle, des Somaliens, des, des, systématiquement, le Niger les refoule vers l'Algérie. Parce qu'on ne peut pas continuer. C'est tout le problème qui se pose, c'est que souvent, ils sont très violents. Ils présentent un danger sérieux quand ils sont là. C'est déjà agressif. Souvent, tu trouves parmi eux, tu trouves même des anciens, comment dirais-je, machines de guerre, miliciens et tout et tout. Moi, je pense que il faut trouver un mécanisme avec les autorités algériennes pour mettre fin à ça. Mhm. Parce que l'accord qui avait été signé, je me rappelle, c'était pour rapatrier les Nigériens qui vont faire la mendicité là-bas. Les Algériens ont profité de ça, maintenant pour ramasser pratiquement toutes les nationalités subsahariennes pour nous déverser régulièrement, hein, mhm. je vous dis, régulièrement. Mhm. Dans le moins, au moins trois ou quatre convois. Vous vous imaginez ce que ça fait Souvent, ils font un mois, deux mois, ils sont là-bas, dans des camps de machines de transit et, ça pèse sur, euh, comme avait dit, euh, les populations, les ressources des populations locales. Mhm, mhm. Moi, je dis ça, on ne peut pas continuer à accepter ce genre de choses. L'accueil donc euh, et la prise en charge est assez satisfaisante euh, pour, pour ces réfugiés ici au Niger, comme le dit Ousseini. Et notons qu'en raison des bonnes dispositions euh, qu'il a prises pour l'accueil des réfugiés et du modèle qu'il représente dans leur prise en charge, le Niger a été choisi comme l'un des, des, six pays coparents du prochain Forum mondial sur les réfugiés prévu à Genève, en Suisse, et en décembre 2023. Vous, même quelle est votre appréciation euh, je ne peux que joindre ce que vient de dire Husseini. Mhm. C'est vrai, le Niger est terre d'accueil. Le Niger euh, met euh, son énergie en tout cas pour, pour aider en tout cas ces réfugiés. Mhm. Mais est-ce que ça donne également cette possibilité à l'Algérie, comme l'a dit Husseini, de verser, de reverser toutes ces nationalités-là au niveau d'Agadez, au niveau de Asmaka. C'est la question des migrants. Oui, mhm. parce que en fait, c'est quoi L'humanitaire, c'est vrai, euh, il y a ceux qui sont en nécessité, et des fois, il y a ceux qui ne sont même pas en nécessité et qui viennent renforcer ou bien qui viennent augmenter euh, le nombre. Mhm. Quand on regarde, c'est vrai que la frontière Mali, nous sommes en guerre, en insécurité. Burkina, nous sommes également en insécurité. Mm-hmm. Et des fois, il faut être très vigilant avec ces gens qui viennent. Mm-hmm. Ils peuvent être, oh, c'est vrai, ils sont reconnus comme étant euh, des personnes très fragiles, des personnes qui ont besoin de soutien, ils sont dans le besoin. Mais il faut faire très attention aussi, parce que on ne peut pas dire que tous ces gens-là qui viennent pratiquement de ces pays-là sont là pour l'humanitaire. Mm. Il faut veiller qu'il y ait des contrôles systématiques. Mm, mm, Je ne suis pas contre X ou Y, mais des fois, là où on ne pense même pas, c'est là où on peut trouver des récalcitrants. Donc, c'est très important et c'est vrai, on ne peut que euh, féliciter le Niger, mm-hmm. à continuer à aider avec ses partenaires, mm. ces gens-là qui viennent pour l'humanitaire, qui sont vraiment dans des situations euh, qu'il faut les aider, les assister, mais il faut également trouver un mécanisme pour pouvoir alléger certaines choses au mhm. niveau de nos frontières, de sécuriser nos frontières. C'est très important. Gare Amadou, selon le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, euh, ils sont environ 300 000 réfugiés en provenance des pays voisins comme le Niger, et le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso. Alors selon vous, quelle doit être la conduite de ces réfugiés euh, accueillis sur le sol nigérien, leur terre d'accueil Oui, mais quand vous venez, quand venez dans un pays, euh, euh, la moindre des choses, c'est de respecter les us et coutumes et les lois de ce mm. pays-là. Mm, mm, C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre les populations dans une situation d'insécurité. Vous devez vous adapter aux lois de ce pays-là et respecter surtout les populations que vous venez de trouver. Parce que ce que Hussein a dit au niveau d'Assamaka, et, c'est une, situation qui, commence à devenir dangereuse parce que on me dit qu'il y, a des, il y a des villages dans lesquels la nuit, à partir de 20 h on empêche aux filles de sortir parce que c'est très dangereux. Oui, parce que parmi les réfugiés, il y a des gens qui sont pratiquement des bandits, en fait. Mm. Donc, vous voyez, si, vous ne respectez pas les lois de ce pays-là, eh bien, vous, mettez, vous créez une situation qui peut aboutir à votre expulsion. Mm. Moi, j'ai dit que le Niger est un pays accueillant, n'est-ce pas Mais il ne faut pas aussi exagérer. Voilà. faut pas Il abuser. faut pas abuser. <laughs> je vais vous dire, même quelque chose. <laughs> concernant même l'Algérie, mm. moi, j'ai lu une déclaration d'une association de Touaregs algériens mhm. qui accusent l'Algérie d'expulser des Touaregs de nationalité algérienne, algérienne. qu'on a amenés à Assamaka. Des centaines de familles qui, sont, qui, ont été rapatriées à Assamaka. Pourtant, c'est des Algériens. Parce qu'il y a des Touaregs en Algérie. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des Touaregs, algériens, mhm. vous savez. Mais il y a une sorte d'amalgame et on les a pris, on les a amenés au Niger, alors que c'est des nationalités algériennes. <laughs> Ça, ce problème-là, c'est un problème nouveau qui vient d'éclater. qui vient d'éclater. Et il faudrait que l'État du Niger le gère. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur a pris. Je suis, je suis sûr qu'ils sont au courant de cette information-là mm-hmm. Mm-hmm. et qu'ils sont en train de, Le ministère de l'Intérieur est en train de, mettre les bouchées doubles pour le régler. Mm-hmm. Mais c'est une situation qui commence à devenir inquiétante parce que là, c'est un flot qui commence à venir. C'est des Algériens Touareg qui sont en train d'être ramenés au Niger, soit disant que ce sont des Nigériens. Le défi donc euh, est énorme pour notre pays dans la question de l'accueil et la prise en charge même euh, des réfugiés euh, vivant sur le sol nigérien et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 23 juin. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, journaliste indépendante, Hussein Issa, journaliste indépendant également, Igare Amadou, directeur de publication du journal Le Canard déchaîné et journaliste à La Nation. La régie technique est assurée par euh, Amina Hassan, la régie vidéo c'est Saka. Merci donc à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche des 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Les samedis et dimanches à partir de 18h15, les forums en langue Hausa et Zerma. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous.